Il faut imiter la source qui ne s'étarit pas et non pas la verse qui inonde la montagne. Je suis le monarque détenteur du trône. Le talent est inné, j'en suis la preuve palpable.